Il est temps, il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Barka di modon e wonja e golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Bonjour à tous, nous sommes mardi 16 janvier 2024. Vous êtes nombreux à suivre les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Il est 11h et vous écoutez en direct notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Samira Amadouafi en compagnie de Mariam Ibrahim Adi. Bonjour Mariam, ça va ce matin Ça va bien Samira et toi Super, nos salutations à ceux qui assurent à la régie Adama euh, à l'édition et euh, le technicien du jour Issa Lawadi. Alors à débat, nous le programme d'aujourd'hui. D'abord, il y aura le flash d'information de la bonne musique nigérienne de la rubrique hebdomadaire qui parle aujourd'hui santé et l'écho des régions qui nous amène à Agadez pour en savoir plus sur l'origine du violent Touareg appelé Imzad. Notre invité sera M. Boubacar Mohamed Didjakole. Il est danseur, chanteur, chorégraphe, comédien. Avec lui, nous allons voir comment évolue la danse ici au Niger. Fidèle auditeur, top, c'est parti. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'information présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Samira, bonjour Mariam. Le flash d'information à présent Cinq réseaux de malfaiteurs ont été présentés hier par la police judiciaire. Ces malfrats euh, présentés au public sont constitués d'une vingtaine de personnes. Euh, certains ont été interpellés pour détention et mise en circulation de faux billets de banque en francs CFA, dollars, euros et en les autres sont spécialisés dans le vol de moto par agression dans les abords de la ceinture verte, dans le vol de, dans le vol à domicile et dans le vol seul portant sur des téléphones portables, des ordinateurs et accessoires. Malheureusement, une domestique a été assassinée au quartier Sonissu de Niamey dans la matinée du 11 janvier 2024, victime de ces bandits. Dans la région de Zander, la police départementale de Tanout a également présenté hier trois bandes de malfaiteurs. Ils sont spécialisés dans le trafic de drogue, dans le vol, le vol de petits ruminants, la complicité et recel d'objets volés portant sur une soixantaine de téléphones portables d'une valeur estimée à 1 million de francs CFA démarrer le 13 janvier euh, la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 se poursuit en Côte d'Ivoire avec les premiers matchs des différents groupes. Ainsi, pour ce mardi 16, trois rencontres sont prévues. Il s'agit de la seconde rencontre du groupe D entre le Burkina Faso et la Mauritanie. Ensuite, les deux matchs du groupe E vont être disputés. La, seconde rencontre de la journée de ce mardi verra l'entrée en lice les équipes du groupe E. Ainsi, les Aigles du Carthage vont affronter les Bravoarios de la Namibie. Enfin, le dernier de la journée est celui qui retient toutes les attentions dans ce groupe E de la Cannes 2023. Les aigles du Mali et les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Hier, les Lions indoptables du Cameroun et le Sili national de la Guinée se sont séparés par un match nul, un but partout. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 16 janvier 2024. Merci bien Mokhtar, euh, passe une très belle journée. Je l'annonçais à l'entame de cette émission, notre invité du jour est un danseur. Il fait aussi euh, de la musique. Il s'agit de Monsieur Boubacar Mahamandi Jacoli. Bonjour Monsieur Jacoli. Bonjour Samira. Ah, Merci d'avoir répondu <clears throat> présent à notre invitation. Avant de vous donner la parole, on va écouter de la musique Samira. Tu nous proposes quel titre alors je vous propose Irialan de Hasso à côté et euh, la chanson euh, qu'on vous propose, j'espère qu'elle va vous plaire pour avant de rentrer plutôt dans le vif du sujet. On y va. Hasso à côté d'un artiste d'origine touareg, il anime souvent les soirées à Gadez. Il a enregistré quelques-unes de ses chansons avec des musiciens comme Alassane Fourounou et Bambino. Il a son il a son actif à plusieurs albums dont les titres restent toujours populaires auprès des jeunes. Mais avant, Mariam, qu'est-ce que nous dit cette chanson-là Parce que tu es Touareg, explique-nous. Bien sûr, dans cette chanson, Hasso explique aux gens que quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas bluffer en fait. Et tu ne peux pas aimer qui tu veux. Au contraire, on te choisit en fait. Tu vois, justement. <laughs> Yeah. C'était là le titre euh, Eri Allen de Hasso à côté. Euh, et nous revenons au studio avec notre invité. Nous allons parler de danse, mais euh, vous allez quand même nous planter le décor avec un petit acapella. Mais avant ça, chers auditeurs, si vous venez de nous capter, vous êtes bien à l'écoute de notre émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Samira Wafi et Mariam Adé. Alors la parole est à vous, M. Jacolet. Est-ce que vous pouvez nous planter un peu le décor avec un petit acapella, bien qu'on va parler de danse, mais quand même, on est avec un chanteur, il faut qu'on le sache. Bien sûr, bien sûr. Nine Bouba, Bouba Jacolet, Nazo, Nine Bouba, eh. komi za ka yi ce Allah ai kayanka ba sa ɓaci mahasada na ku yafe ni dan ni buba na muku nisa mm. wasu sun katsane ni mm. wasu ko har sun zage ni wasu sun ɓata mini suna sun ce buba ba ni da kirki alhamdulillahi komi Allah Kubini Omar ba ah, eh, ah merci. <laughs> voilà, je me présente euh, Boubacar Mohamedou Banaye Allah Jakole. Et Jakole veut dire le jeune artiste honoré par lui-même et qui est en collaboration avec la loi éternelle. Ah, Merci <laughs> beaucoup pour cette démonstration. Alors, dites-nous quel est votre style de danse euh, Moi, je suis africain avant tout et c'est afro africain On prend toutes les danses et on les transforme à notre manière en africain pour le présenter à nos spectateurs et nos fans parce qu'il faut les montrer la sauce africaine. On n'a plus besoin de quoi que ce soit de l'autre côté, vous voyez. Donc on évolue dans l'Afrique. Et les genres de danse, euh, il y a les danses traditionnelles, il y a le hip-hop, mhm. parce que je suis tout à tout. Donc, euh, côté traditionnel, euh, tout le monde connaît nos traditions. Il y a que beaucoup de choses dans la tradition. Et de l'autre côté du hip-hop, c'est le breakdance, le, le smurf, et, le robotique, il y a le saccadé, il y a le freeze, il y a le serpent, il y a de l'eau, parce que la danse, c'est le corps qui exprime ce qu'on a dans le corps, la parole et l'âme de la passion. Mhm. La passion est l'âme de la parole. Alors, euh, depuis vos débuts dans les années 90 à aujourd'hui, comment ce domaine a-t-il évolué Ce domaine a évolué côté euh, inspiration et côté création, je dis pas parce que il faut avoir des promoteurs qui peuvent et des producteurs qui peuvent financer pour pouvoir créer. Mais l'inspiration est toujours là. Donc l'inspiration évolue, mais moins de création. Parce que si vous constatez dans la danse, autant que dans la musique, mhm. toujours nos oreilles écoutent ces rétroviseurs. On n'écoute que la même chose, la même chose, la même chose. Donc, il y a des gens qui sont, qui ont l'esprit créatif. Parlons mhm. Pardon, pourquoi les producteurs, s'ils n'arrivent pas? Parce que un producteur, avant de produire un artiste, il faut pouvoir avoir une assurance de ce que tu vas Exactement. Avant d'aller vers là-bas, hum, vous faites de la fraudance. Est-ce que selon vous, on marche dans la bonne euh, direction comparativement aux autres genres de danse? Mais oui, on avance parce que du moment où la jeunesse, aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de danse. Mhm. C'est ça, je dis, l'inspiration est là, ça, évolue, mhm. mais c'est moins de création. Mhm. Parce qu'il y a la passion, mais il n'y a pas de création. L'inspiration est là. C'est comme si euh, le puits, il y a de l'eau toujours dedans. Il faut juste puiser, euh, lancer quelque chose pour puiser de l'eau. Donc l'inspiration est là, mais moins de création. Et ça, ça évolue parce que les jeunes veulent apprendre. Et maintenant, pour apprendre aussi, c'est d'autres étapes. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles en cours du chemin. <laughs> Ça évolue vraiment, ça évolue parce que la jeunesse est là, disposée, ils veulent travailler, mais il n'y a pas les moyens de travail. C'est ça le blocage. D'accord. Vous avez débuté la danse dans les années 91. Bien sûr. Alors, vous pouvez nous dire quelle était votre motivation Ma motivation était en ce moment, il y avait vers la disparition des Samaria. Et à l'école aussi, chaque fin d'année, on nous organisait des, des soirées dans les écoles. Mhm. Le matin, le football, la soirée, c'est la danse, des skates. C'est depuis à l'école, ça c'est couté, mhm. Donc ça nous a beaucoup inspiré. Qu'en fin d'année s'annonce, il y a les meilleurs, euh, de danse dans les cours, il y a les meilleurs euh, skateurs, il y a les meilleurs footballeurs, il y a les meilleurs chanteurs, il y a, il y a tout, ça se prépare avant fin d'année. Donc c'est de là-bas j'ai pris goût et chaque fin d'année, j'ai remporte le premier prix de notre école à Gaïa. Mhm. C'était école quartier, je me souvenais. <laughs> Donc, euh, oh, Est-ce que c'est cela aussi qui vous a poussé à vouloir chanter également? Vraiment, parce que en ce moment, il y avait la, la résilience entre nous. Nous nous aimons. Nous, quand nous nous séparons dans les fins de vacances, nous nous, plairons entre nous parce que nous ne nous verrons pas nous séparer. Mhm. Donc c'est la, la, soirée là qui fait que nous nous rapprochons et j'ai beaucoup aimé cette manière de passer le message et j'ai pris goût vraiment de là et les vacances je continue avec les invitations dans les mariages, dans les baptêmes, on m'invite dans les voyages. Et voilà, je me suis retrouvé. à faire de ça une carrière. Voilà. Hum, il faut rappeler aussi que euh, dans les années 90, les boy bands étaient en vogue. Est-ce que cela, euh, vous, vous avez fait partie d'un groupe Oui, en 91. C'est fin 91, je suis revenu à Niamey. Donc j'ai trouvé Homeboys, qui est devenu la Kalkanei. J'ai trouvé Starmania qui était Mazari. J'ai trouvé euh, comment s'appelle euh, mon Istar qui est devenu Damanzo Istar les bambins de, de maintenant là mhm. ça date de longtemps donc et moi je me suis intégré directement dans mon Istar Star. Mm. Donc, Soumanguru Istar, on a remporté pas mal de prix, mais il y avait les Gabero, parce que mhm. eux, c'était eux, les premiers danseurs chorégraphes au Niger. Ces deux encore, on s'est beaucoup épuisé de l'inspiration pour mhm. pouvoir euh, être euh, à la hauteur. Mhm. Qui dit danse au Niger, c'est Gabero. Et leur chorégraphe était Salif Maman, paix à son âme. Mhm. Il était le premier danseur chorégraphe au Niger. Que je regrette aujourd'hui, le Niger et le ministère n'a jamais pensé n'a jamais pensé à parler de Salif. Oui, Toutes les musiques de Saadou Bori, les chorégraphies que vous voyez, c'est Salif qui les a créées avec le feu Tahirou le professeur. On va en revenir, euh, Monsieur Jacolet. Eh bien, euh, merci. Et nous avons retenu pour cette première partie qu'il y a vraiment de l'inspiration dans le monde de l'art, surtout euh, celle de la danse afro. Il y a la création, il y a l'inspiration, mais pas la création. Et aussi que dans les années 90, les gens étaient plus soudés à vouloir faire ce qui était venu nouveau après les Samaria. Et ce n'est pas fini. Nous reviendrons pour la deuxième partie, Il est temps de savourer cette musique Babankasa signée Jacole, notre invité du jour. Balance-nous le son. Niger, ma patrie. Niger, mère de l'humanité. Niger, la paix pour tout un Nigérien. Sois patriote. Eh, Niger, Babankasa. Nijar babban ƙasa. Na yi tunani duka muka Nijar muke, Nijar ta muce baki ɗaya. Mu so mu a ƙasata, mu sa da zumunta a ƙasata. Nijar ƙasar addini baki ɗaya. Nijar babban ƙasa. Ba nisan ƙasan wani gatau. Nijar kusa. Nijar babban kulu wa hanga danga mai sai nishari zai kulu wa hanga danga mai sai nisharo ranir go nir hai inir hai halaka ga to irga irmu mahai irdu mai gatan irkulu talato go zai kulu irmatu Hausa go zarmago Nijar Nijar ranar ko. Nijar babban kasa Nijar babban ƙasa. Eh Nijar babban ƙasa. Eh Nijar babban ƙasa. Malam Jakole ko muna iya sanin sai a quelle occasion kuka yi wannan wakar da ke magnifier Niger haka? Eh, c'était eh, au moment d'une crise que je n'ai même pas euh, prononcée. Et mhm. j'ai pensé à relier, à faire souder les Nigériens qu'ils puissent comprendre qu'on vient du même terre, mhm. qu'on est les mêmes, c'est le même sang. Quand on se regarde en tant que Nigérien, on doit se retrouver dans l'amour, dans la paix, dans la solidarité. Et je me suis inspiré pour Créer cette chanson pour la nation nigérienne, pour la paix, pour le patriotisme, pour l'amour de mon pays. Super, il est 11h passé euh, de 20 minutes. Chers auditeurs et auditrices euh, du Niger sur Kalangu, c'est euh, dans cette deuxième partie de notre discussion avec Monsieur Boubacar Dijakoulé, nous allons évoquer les avantages et les défis d'être chanteur d'être danseur et aussi d'être comédien, en global d'être artiste avec toutes tout, ces casquettes. Alors, Monsieur Jacollet, quels sont les avantages dont vous avez bénéficié dans la chanson et la danse Pertinente question piège pour euh, c'est là où je retrouve les artistes tombés. Moi, je me relève. <laughs> Tenez-nous debout car nous devrons être debout. Combattez car nous devrons combattre. En fait, sans abuser du temps. Les avantages, en bref, mhm. c'est les relations, les contacts. Euh, c'est ça les avantages de cette musique. Mhm. Et les défis, on a un gros, un grand défi à relever parce qu'on a des œuvres qui sont là présentatives dans le monde entier qui peuvent représenter le Niger et que hélas malheureusement il n'y a pas de producteurs qui peuvent faire voir la visibilité de ces artistes mhm. talentueux qui sont dans notre pays. Or, aujourd'hui, le talent qui est là caché au Niger, dans le 100%, le Nigérien ne connaît même pas les 50%. Mhm. Donc, le défi, moi j'aimerais voir l'art nigérien au plan mondial, international, que un artiste nigérien peut tenir devant 200 millions public. Ça n'a jamais été fait. Mhm. Pourquoi pas le Nigérien Ou bien pourquoi pas 500 millions Le public euh, un artiste nigérien peut faire bouger de la manière où le Niger est en train de faire bouger le monde entier aujourd'hui. Les artistes nigériens peuvent faire mieux que ça là, parce que c'est les artistes qui représentent ce pays, parce que c'est les artistes là aujourd'hui qui sont les guerriers. C'est pour cela que je me tiens debout pour dire à mon cher mhm. président que nous et sommes est-ce que est-ce que est-ce que on peut euh, euh Et, non non non, on est en train de parler, <laughs> on est en train de parler de la danse. Oui, c'est ah, dans la danse. Voilà. C'est dans la danse. Parlons maintenant, avant les, après les défis, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui nourrit son nom Mais si je peux dire le contraire, je ne serais pas là. C'est un métier, effectivement. Mhm, mhm. C'est un métier. Pourquoi pas C'est comme, <laughs> c'est un bureau avec tous tout le staff. Alors, vu que c'est un métier vraiment qui nourrit son homme, quel conseil donnerez-vous aux jeunes ou bien même à ceux qui sont moins jeunes qui veulent être danseurs ou chanteurs Quelle voie, plus quelle procédure suivre la procédure que je veux dire, ils n'ont qu'à se préparer à la guerre. <laughs> Parce que si tu prends le chemin de là, tu es un commando sans armes et dans le désert sans l'eau, car tu vas être quelqu'un, une proie, mhm. que peut-être tu n'arriveras même pas à 50% de ton départ. Mhm. Il faut se préparer, mhm. parce que quand on dit un artiste, d'abord, c'est une mauvaise image pour le public. Mais c'est toi qui va faire de cette image une propriété, mhm. de la valeur. C'est toi qui vas te mettre à la hauteur mhm. pour que les gens puissent comprendre que c'est un métier. Mais si tu le fais de l'autre côté, là tu seras dans le désert seul, tu seras quelqu'un qui va mourir de faim, de l'eau, de manger. En tout cas, c'est ça. Mhm, Ce chemin-là, c'est que je conseille la jeunesse, il faut le savoir. Il faut le connaître, chercher à connaître c'est quoi la musique ou la danse, il faut avoir la passion encore. Mhm. Mhm. Parce que sans la passion, à un mètre même, tu ne peux pas faire. Mhm. Tu vas déserter. Super, merci beaucoup Monsieur Mahaman Aboubakar Jacolé, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Chers auditeurs, nous allons observer une courte pause et on revient juste après pour la rubrique hebdomadaire santé. Aujourd'hui, on parle de gériatrie. Vous ne le savez pas, euh, de ce qui vous ne savez pas plutôt de ce qu'il s'agit, alors restez pour le découvrir. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. La rubrique hebdomadaire santé, comme le disait Samira, s'intéresse aujourd'hui aux maladies ou comportements qui peuvent développer les personnes âgées. En médecine, il existe une, spécialité qui ne prend en charge que les personnes d'un certain âge. Hum, comme euh, la pédiatrie pour les enfants Exactement, Samira, mais celle-là, elle s'appelle la géatrie. Mais cette branche, elle a ses débuts au Niger. Docteur Andy Abdelkader, médecin interniste et gériatre à l'hôpital général de référence de Niamey, explique au micro de Zénob Abdou. La gériatrie, c'est cette spécialité médicale qui prend en charge les pathologies ou les maladies qui concernent les personnes âgées. Alors, quand on dit personnes âgées, tout le monde est âgé naturellement. Ça prend surtout des personnes euh, d'une tranche d'âge. Concernant la définition de personnes âgées, l'OMS définir la personne âgée comme étant une personne dont l'âge chronologique est supérieur ou égal à 65 ans. Ça, c'est vraiment la définition internationale. Cette définition ne veut pas dire que dès que vous avez 65 ans, vous relevez de la prise en charge d'un gériatre. Parce qu'il faut spécifier la définition chronologique de l'âge de supérieur à 65 ans et euh, les différentes pathologies, l'aspect clinique que présente la personne âgée. Et on sait aujourd'hui assez souvent, on voit les personnes âgées ont besoin d'une prise en charge d'un gériatre aux environs de l'âge de 115 ans en Europe. Et je dirais comme ça, empiriquement, chez nous, en Afrique, on peut dire que une personne âgée qui a un âge autour de 70 ans, il faut qu'il soit vu par un gériatre, ne serait-ce que pour faire une évaluation gériatrique afin de l'orienter si il faut qu'il soit suivi réellement par un gériatre, mais également faire en sorte qu'il soit suivi par un autre spécialiste en corrélation avec le gériatre. Vous, en tant que gériatre, quelles sont les pathologies que vous traitez Assez souvent, et vous-même vous allez remarquer que surtout dans notre contexte, les patients âgés d'un certain nombre d'âges, plus de 70 ans, ou bien je dirais tout simplement nos parents, lorsque à la maison on constate qu'il y a une rupture de comportement, Parfois, euh, ils disent des choses incohérentes, par exemple. Hein. Deuxième des choses, parfois, ils oublient de faire leur prière. Parfois, ils n'arrivent pas du tout à manger. Parfois, ils ont une insomnie la nuit. Donc, ils dorment pas. Ou bien, parfois, karma, ils arrêtent de parler ou bien de discuter avec leur entourage. Donc, la famille proche qui est très regardante va dire que ah mamie ou papy ne va pas bien depuis deux trois jours c'est pas normal ce qu'elle fait aussi quand on remarque que nos parents disent des choses qui sont désordonnées ou bien non cohérentes. Parfois, ça devient un tabou. Ils ont tendance à vouloir euh, protéger, se protéger, pour dire que non, il ne faut pas que la personne ait une mauvaise faim et tout ça. Et donc, d'une manière résumée, les différents symptômes qui amènent la personne âgée à consulter ou bien les pathologies fréquentes, c'est des pathologies d'ordre neurocognitif, c'est-à-dire qui concernent la mémoire, qui concernent l'attention, qui concernent la vigilance, qui concernent l'alimentation, surtout qui concerne l'insomnie et parfois une agressivité, une contrariété dans le temps de survenue progressive ou bien brutale. Rapidement, les pathologies qu'on rencontre surtout en cas de troubles neurocognitifs, c'est ce qu'on dit assez souvent des maladies de mémoire. Par exemple, la maladie de Alzheimer, ou bien la maladie à corps de Lévy, ou bien la maladie de Parkinson. Ça, ce sont vraiment des pathologies courantes qu'on voit chez la personne âgée qui font en sorte qu'ils ont un comportement bizarre. L'autre type d'affection, c'est surtout un fond de dépression. Alors, cette dépression, elle est difficile à évaluer, mais pas impossible. Parce qu'il faut des échelles, il faut être attentif. Alors, l'autre affection, c'est que les personnes âgées, surtout qu'on remarque aux alentours de 70 ans, ils ont des pathologies chroniques. Assez souvent, ils sont hypertendus, ils sont diabétiques. Alors, quand ils ont ces différents problèmes de mémoire, ils vont pas prendre leurs médicaments et les gens ne le savent pas. S'ils sont diabétiques également, l'alimentation n'est pas contrôlée ou bien l'alimentation est trop stricte et ils développent une perte de poids ou bien il développe des complications de ces différentes pathologies qu'ils ont traînées pendant longtemps. Et assez souvent, ce sont ces pathologies, quand elles vont se compliquer, qu'on amène le patient âgé très souvent en, retard en consultation pour voir son médecin traitant qui assez souvent appelle le gériatre pour participer à l'évaluation euh, gériatrique de cette personne âgée. C'était là la rubrique hebdo qui parlait santé avant de partir pour l'écho des régions à Agadez. Londres pour une autre tournée musicale, chers auditeurs et auditrices, avec le titre Ifikarat de l'étoile de l'Aïr. J'espère que j'ai bien prononcé. Samira, c'était plutôt le son des Bombino, Hakhar Zaman et non il de l'étoile de l'air. Samy, c'était les sons des Bambino à Karzaman. On passe à présent à la rubrique Écho des régions. Eh oui, partons à Agadez à la découverte d'un mythique instrument de musique, le Imzad. C'est un violon traditionnel avec une seule corde fabriquée et jouée exclusivement par les femmes Touareg. Madame Almadina Inzad, une joueuse de cet instrument, raconte son origine au micro d'Anissé Karim. in wanda za a buga ma maza masu ne ma maza saboda suke yana hau bisa mace yana hau bisa kana jin shi kullum baka yi abun sha maza zaran a suke yin shi da suna yin shi saboda taguwa saboda da rakuma saboda mata masu kyau mata masu ji da kansu suke ma in ya gane in za ne Allah yi ni ma ana ana gidan ba ni gaya maka bare ushe da muka gane shi yana nihin tun kakannin kakanni ake yin shi Kwarai ko tun da kakannin mun suna yin kowa ne yake iya yin inzar da ko a sai mutum ya gada Gudun mu da ket wanda baya iya ba da ket wanda bai iya inzar ba suna iya duka sun iya Kuka ce maza jarumai ne kawai ake buga ma inzar kamar jarumai wani iri zarumai kasa na iri iri ne akwai jarumai wajen gar na da akwai jarumai kamar namiji mai sunan namiji ba ya bu ashir ne ya zo wajen talakawa sai ya musu abu ka gane kamar yanzu mai ce mai kyau mai shi da kanta rakin mintar ba ko bisashen sun so rijiya in ka bar su baka ba su ruwa ba kiran baka da ba maka anzar sai ka ce anzar kar yi shi ka tunani mai zurfi ne annabawa ma ana ma anzar a lokacin nan annabawa suka ce akwai mace da sunan delaman delaman an yi gyara annabawa da kafarai sai suka gani delaman tana gida ta fidda anzar kin gashin ta gashi a tsawon gana doki amma ita ta fidda nata sai ta yi anzar annabawa da suka zo gida delaman tana musu duwe ba su gudu ba za a gudu wajen gyar sai ah, nasara sai suka ce ai don mi wanga maza an sun saya ba su gusawa sai suka kama guda da suka kama guda suka kai shi gida duk suka tafi suka ce musu akwai wanda take gida tana musu wani abu muna an zaɓa an san santawa kashin ta an bar wannan na gayar an sassanta saboda an zaɓa an zaɓa kana ji an zaɓa kai namiji ba ke abu an shi kenan a gugaran shararu ne wajen buga in zarto an kare ma an ka ta he gugara kace maka babu lokaci nan da babuwayen mu da eh, su kai sunan gugaran da an zaɓa dalilin in zarkin ga ina da ina ne eh, kukuka babu wurin da bai he ba an zaɓa ta he amurka faransa alger ta he libi da an zaɓa da nigeria bayan ku akwai yara yara wanda kuke koya ma in ba ku nan su za su ɗauki wannan inzali. Wasu suna gida ma akwai su. Kuma su sun mai da hankali sun koya da kyau. Sun koya da kyau. Zama elef ta maka in tana jin shi. Ni kuke kira ga matasa to. Mun kira matasa maza da mata su maido hankalin su abun da ta anza ta abun wasa na da galgajiya. A maido hankalin su abun galgajiya. A maido hankalin su gida a bar tahiya waje waje a bar sata sace sace a bar sare sare duka. Kenan shi in zarkin ga ba a buga ma rago kuma <laughs> ba a buga ma wanda yake ɗauka kayan. Kaka za ka buga ma barawo an zaɓi arguma ba buga mace sai zarumi. kun kuna yarinya ko in ce yan mata kuka fara buga inzar. tana karamin kakata tana buga inzar. mun ga inza da wannan yana da wani kama hudodi biyu miske ni. hudan nan tana kallon maza masu kyau min maza tana kallon su yana da ido maza wanda suke zarumi ya gane su in zaɓi ido biyu nan da ka gani Notez que le IMSA de inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons le rendez-vous de l'émission le Niger sur avec du sport. Adam Saïrou est là. Bonjour Adam. Bonjour Mariam. Adam, dis-nous qu'est-ce qu'on peut retenir pour la 11e journée de la Superliga du Niger Eh bien, à l'occasion de cette 11e journée, hier soir, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale a affronté la Koukana FC Darlut au stade général Sénékoutché. Deux buts à un en faveur de gendarmes. Et de l'autre côté du stade municipal, le Zumunta a fait un match nul contre l'Urana FC. En clôture aujourd'hui, Renaissance de Bukoti jouera contre l'Espoir FC de au stade municipal de Niamey à 16h. Partons à présent en Côte d'Ivoire où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté ce samedi dans la capitale ivoirienne. Adam Dune, où en est-on aujourd'hui après ces trois jours Eh bien, on le disait hier sur nos antennes, on assiste toujours à des rencontres plus ou moins équilibrées avec des scénarios similaires à la Coupe du Monde au Qatar où les grosses équipes ont été surprises lors des premières journées. Alors parlons euh, à présent de la poule C où deux autres poids lourds euh, du continent sont logés. Eh bien, dans ce groupe, notons la rentrée en liste du champion d'Afrique en titre, le Sénégal, qui n'a pas tremblé face à son voisin, la Gambie. Victoire écrasante, 3 buts à 0. Dans ce même groupe, les Lions indomptables du Cameroun ont fait match nul, un but partout face à la Guinée-Conakry. Ah, malgré l'exclusion du capitaine guinéen François Kamano à la fin de la première mi-temps. Même score entre l'Algérie et l'Angola et dans le groupe D composé du Burkina Faso et de la Mauritanie. Pour finir, quel est le programme d'aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui à 15h, le Burkina Faso sera opposé à la Mauritanie, un choc entre deux pays sahéliens. Ensuite, les Lions du Carthage de la Tunisie contre la Namibie à 18h pour le compte du groupe E. À 21h, le Mali jouera contre l'Afrique du Sud. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien Adam pour toutes ces informations sportives. On passe au portrait du jour, Mariam. Eh oui, Samira, nous allons à la découverte de Hamidou Abdraman, un jeune vendeur d'eau à Birningaure, communément appelé Garoua, un métier grâce auquel il joint les deux bouts. Son portrait avec Moro. hamidu abdourahman o suka ummatore connowo diyan nder wuro birnin bayero indirteɗo garuwa ko watta duuɓi sappo e joyni ko hamidu no waɗa lumaku diyam connol diyan ko hamidu watta nder wuro birnin bayero haɗaymo hitane fuu nde diyan toɓi omo yaha wuro maɓɓe to o jeya leydi tera wuro jaguru ndiyan ƴogam wallahi alhamdulillahi min jeyay fuu baasi e gollal amin ngal miɗen jetti allah do e maggal rumowa wuro ndu welti wara mbuɗɗita golle ko ngon miɗa heɓa e maggal miɗa yettiri ɗum allah miɗa jogi ɓaade an e maggal miɗa waɗa muraduji an e maggal alhamdulillah yettore allah wallahi le golle ɗe ngal gollata fo sayni muñal saabu a yiyan probléme e muɗum wakkati gon nder ñamale ni gam mo gonɗa aɗa gollida ñande fo kay no waɗi fo ñamani naata hakkude mum to ɗo ñamani naati du fu nde ko nawa wadde probléme wallahi alhamdulillah yettore allah hakkude amin nawoɗi gam ley golle amin ɗe woɓɓe kay min koƴodiri sanne e majje dukoy joni si min jeehi wuuro woɓɓe na noddami miɗe jewtodira dow maggal min jeeya fof probléme ley amin hano ni min ka ndego miɗa heɓa kemi jeɗɗi kemi jeetati riba ni hawta e ko ittami ittami fuu riba mi ɗaya ɓake mi jeɗɗi ken jeetati ñalowom amina e azu iɓe cuuɗa ndiyan e hamidu subana allah fuu ɗum ɗo diyan o waddanta ɓe saɗɗarma foni wala hakkunde maɓɓe dow filla codol ndiyam wallay gaari wawo tunda masala zama hamidu o lokaci kulkan e koyaado ɗayna se hari akan dai se hari sai ba ka da sani sai ba ka yi manu har murari kulkin ai sai ko ya do akan dai ta akan sai hawo ko har su ba a aikin da lokaci ne a suke yi ba ko tun da bar mai no ga mai wa ai sai kala handu kun da handu ban ai mana sun ga noro a sai na yi wa wallahi lokaci kulkan no ai ko ya a kan dai sai hawo garuwa mema wallahi jiri marje jire si ban no kan dai sai ai ga almaniya an andi ku bejon ai kul ingano jite hamidu Abdraman no wonno watta daane e sukaɓe ummatore ɓe nanga gollal gal ɓe gaɗi wallayi kongo min noddiraɓe niya ɓi adama golla e sembe ma sembe ma nyamira sembe ma nanda e jonde ɓolum sai garoɗa goɗɗo minen joni nder ɗumin gonɗo goɓɓe na kafi golle ami miɗen anata na takkomin na ngaro min jaati na jama min ñamani miɗen kokka ɓoydu ɗelle alhamdulillahi ngal gollata fu si woofi nguy ka fu jetta allah wallayi wala nafaya jonde kam yiya fu ko ɓeydata e ɓi adama illa ɗo woodi sembe ni gollata ko powta jango inchallah min nodda ɓe du neɗɗo fu daro tefa ɗo nangi ko wana jonde ka allah won ballo wallayi alhamdulillahi yettore allah hakkude amin na wooɗi ngam gollal ngal neɗɗo waɗi fuu no nafa ɗum ɗum do ko watta jomum heɓa gurnal lobban nder jonde duniya mum Merci Oumou Morou pour ces beaux portraits. Allons pour un dernier tour en avec cette chanson de Gisa Wanagli qui nous chante la chanson Temiditine. le titre Timiditin qui signifie mon ami en français de Gisa Wanagali. Euh, auditrices et auditeurs, chers euh, auditeurs plutôt, c'est l'heure euh, du loti et dans notre chronique du jour, nous évoquons le sujet de la dot. Eh oui, Samy, la dot, c'est une somme que les prétendants candidats amènent pour le mariage chez sa dulcinée, sa future épouse. Aujourd'hui, certaines familles en font leur fonds de commerce et exigent beaucoup du futur mari. Pour plus de détails, écoutons le loti présenté par Samira Rouafi et Rekia Arimi. Hey ka kina lahiya? Lahiya lau gora ina yara. Lahiya lau wallahi mutu ya gida. Alhamdulillahi. Ina za ki haka? Kasuwa zani wallahi. Na ga alama ke ma hakan ko? To mu yi hanya guda. Wallahi mu je. Ke, na manta zan yi wa ‘yata aure talatin ga watan nan. Na gayyace ki ki zo fa. Hmm. Ke kam kin ji daɗi. ‘Ya'yana suna can zube a gida, kamar kayan adon ɗaki. ko mashinshini babu <laughs> wallahi adama hakkin ban mamaki shine ne yasa wannan la'asarkin da kika yi kina son kiwa da son kuɗinki kina ganin cewa sadaki kaɗan ne in an kawo miki ni ba kuɗi ba na ba ƙarfi abu mai mahimmanci su samu miji na gari ya kuma sa albarka albarka ramatu albarkar nan ba ciyuwa take yi ba ke dan Allah bari ramatu to ba ga irin ta ba haba ramatu da mi zan sayi gadaje tufafi ga su moket da dai sauransu ga wasu kaya ga sunan dai ire-iren su da ake son a sa ma yarinya cikin ɗaki ina zan hito da su ke ni in ba miliyan guda ko bi ba ke in dai ba miliyan uku ma ba aka kawo ba ke ni ba auren nan zan yi ba mi mi miliyan fa kika ce eh mana amma wallahi kina ban mamaki ko dai wasa kike wasa fa <laughs> ai ke san ƴaƴana masha Allah ga kyau ga tsayi ga ilimi kuma ga iya kwalisa kin ga dai duk wannan abu ba zan bada su ba ga dan talaka sai mai sefa <laughs> adama ki ji tsoron Allah ki a wannan zamani da da ket ake samun aure wasu ma suna shiga zaman kansu ke kina da lokacin kin aure don karamcin kuɗi ke ga mutu auren yanzu tsada gare shi kun bangaren angwaye ma suna da buƙatar abubuwa da yawa ga akwatin ango kuma ga yin woti kuma ba har da gara haba dai wannan ba hujja ba ce na azawa mutum miliyoyi to kin hana iyarki a wurin kuɗi kaɗan sai ta ɗauko miki cikin shege wannan ba abin kunya ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wallahi kina da gaskiya duk wannan abun ni ban yi la'akarin su ba a'a to balle ma yadda kika faɗa Ya'yanki, ga kyau ga tsayi ga ilimi da iya kwalisa kowane namiji yana son ya samu irin su kuma kin san makarantar maza yadda take wallahi na sani ga mutum shikenan sai mutum ya shiga uku wallahi da in ji kumyar duniya gwara yi ma kaina wa'azi daga yau kowanne ta kawo zan mata shi a'a to ki ma kanki wa'azi gaskiya burin mace ta ga 'ya'yanta sun yi aure da rufin asiri wallahi insha Allah ga mutum gode. ai wannan shi ake cewa gyara kayanka ya hisab sabke mu raba wallahi to ke rana nayi mu ci gaba ko gaskiya mu C'était là le loti. Passons maintenant à la culture linguistique. Aujourd'hui, nous sommes avec Asumana China dans la rubrique culture linguistique en français et en Hausa et il nous vient avec le mot dialogue. Et euh, c'est le mot de la semaine. Bonjour China Bonjour euh, Samira, bonjour euh, Mariam. Bonjour China. Comme vous l'avez donc annoncé, le mot euh, du jour aujourd'hui c'est dialogue. Mais comme ça a été déjà dit en français hier, moi je vais me plonger dans le Hausa pour l'expliquer. Tomar la masar mu maza da mata barkanku da kasancewa cikin wannan shiri mai culture linguistique da faransanci wato ma'anar kalma ko kuma rukunin kalmomi. Yau dai muna ɗauke ne da ma'anar kalmar nan da ake kira dialogue da faransanci. da wasu tana nufin tattaunawa idan kana buƙatar dai ka fahimta ko kuma a fahimce ka cikin zamantakewa dole sai da tattaunawa ko mm-hmm. tattaunawa wato wata hira ce tsakanin eh, mutane biyu ko kuma fiye da haka mu ɗauki eh, misalin wato mu ɗauki wannan misali tattaunawa tana iya kasancewa cikin natsuwa wato a hira da gaske mm-hmm. ko kuma dai ya kasance tattaunawa ce ta wasa da dariya akwai misali na biyu tattaunawa na iya kasancewa a rubuce wato a ganta a rubuta ta sai a ɗauka a karanta mm-hmm. ko kuma a magance wato mutum biyu ko mutane da yawa su kanci juna kamar da muke da ku haka mm-hmm. kowa na na bar da shi albarkacin bakin shi bala mm-hmm. a tattauna akan wasu wato wasu maudu'ai kuwa sai kuma misali na uku ko kuma na ƙarshe tattaunawa tana iya kasancewa ta zama mai ban mamaki wato bayan an yi hira ya zama to an ɗauki darussa ciki ko kuma an yi abubuwa masu ban dariya da dai sauransu ko kuma ya kasance an kai inda ba a yi zato ko ɓacin rai da sauransu a riƙe da cewa dai ita tattaunawa eh, <clears throat> tattaunawa wato ta kasance mai ban mamaki bari ni kawai wato tattaunawa ta zama eh, mai an yi ban dariya ciki da dai sauransu ƙarshe dai ana iya cewa tattaunawa wato wata dama ce ga mutane da dama ko kuma ko biyu ko abin da ya haka na can su canza ra'ayoyi tsakaninsu ta haka nan kuma suna da samu darussa ko kuma su karu da juna ka ba aka labari ni kuma in baki nawa labari da da sauransu haka mm-hmm, mm-hmm. a takaice ga irin yadda zan fasaro kalmar wato dialog ko kuma tattaunawa da hausa kenan to madalla kamar da yau da muke matso kijinmu wato lotti Mongo de eh, Asmani en Chers auditeurs si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 à 64. Écoutons à présent les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum sunana Muhammadu eh, ina nan zaune a garin Gegime. Eto eh, alhamdulillah studio Kalangu gaskiya ya shekaru takwas da ya doka yake ta waza shirye-shirye da dama gaskiya musamman mu a nan gundumar mu Gegime mun karu abubuwa da yawa musamman abubuwan da ya shafi zamantakewa zaman lafiya wayar da kai da sauransu wanda a cikin garin mu abubuwa da yawa yake faruwa wanda ba mu san da su ba amma sai ka ji da mana sai dan ka gama Kalangu sai ka ji an ce a Gegime kaza kaza kaza kaza ya faru ci gaba sun kawo mana shi mara adadi wanda babu misaltuwa ga sun samu karu da abubuwa da yawa za su ɗauki labari ne mai muhimmanci wanda za su tura matan kuma wanda ko da yaushe masu sauraron studio kalangu suna bukatan su ji kowane irin labari ne abin da ya shafi garin nan gegime babban abun ma da ya kamata in yi magana shine yana da kyau a ce lokaci wannan an kara shi saboda ga sai ka gani labari sai da ya ɗauki dadi inda kake so sai ka gani lokaci ya yi an tsaida shi kenan muna bukata da son samu ne a kara mana lokaci lokuta da son samu ne sahe da rana da marance duka ya zamto akwai studio kalon sunana malama hawa daga nan garin gegime gaskiya da farko dai zan ce shirye-shiryen su yana burge mu sosai kuma zan ce mun karu da abubuwa da dama musamman ma ta fannin kiwon lafiya saboda a da mata yawanci ba sa so zuwa awo amma yanzu da shike wannan shirye-shiryen mata da dama suke zuwa awo kuma a fannin ilimi ma alhamdulillah zuwa ga fannin aure yarinya bata kai aure ba ana mata arme to shi ma a nan wurin gaskiya alhamdulillah an karu sosai da sosai eh to abun da nake so da kalangu gaskiya abun da ni dai nake da bukata a wajen su shine su ci gaba da in wannan shirin kasu bare dan gaskiya shirin yana mana dadi sosai gaskiya a da shiru ne a da ba ma jin labaran gegime amma albarkacin sa alhamdulillah yanzu muna jin labaran garin mu abubuwa da da ba mu san da shi ba ma a cikin garin mu yanzu alhamdulillah a sanadiyan su muna jin su matsalolin da suke cikin garuruka. Ina ma Sido Kalangu barka eh, shekara takwas ba kwana takwas ba ne kuma ga dukkan alama na lura radio ne wanda duka faɗin Nijar ana sauraren shi gaskiya hakikanin gaskiya radio ne wanda ina sauraren shi jehi jehi eh, amma duk sauraron da nake mashi na ga duka komi suna yi suna tattaba ko ina matasa tsofi rashin lahiya komi da ina musu fata alheri Allah ubangiji ya sa ci gaba da haka matsayina na ma'aikacin likita ina ƙara jinjina musu da suna taɓa kiwon lahiya to gaskiya cido kalangu kuwa emission ce ba take katar da kowa da kowa wanda da yake swift kinta ban samun dama sauran ta sahi tun da sahi da marci ne ake amanta marci dai kamar in muna da dama muna sauran ta da tanzanta yana katar da mu kwarai kwarai saboda abubuwa ne da suke tuna da da galgajiya duka kenan saboda shine suke burge ni kuma ina kira da a ci gaba da yi saboda yaran mu da san suka mance da galgajiya a rika sa musu don ka san da lokacin da ne yanzu ba ɗaya ne ba to suna na dai abdu da kakan studio kalangu gaskiya ba da shirye-shiryen ta duka dai shirye-shiryen ta duka muna jin daɗin su babu na yada amma muna sa a haido shiri wanda yake muna iya buga waya mu abin da muke so shi muke bukata gare ku eh shi wannan suke na muhawara muna jin daɗin shi kwarai ni ne Sahil Prezi fada ba bambanci Arlet lalle dai studio Kalangu gaskiya muna sauraron su kwarai kwarai fiye da yadda ake tunani ma saboda Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. C'était un immense plaisir de passer une heure d'info et de divertissement avec vous. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Mariam Adé. Rendez-vous demain à la même heure, aux mêmes fréquences, mais avec un autre duo. Et oui, sinon, le studio Kelangu, c'est aussi la grande édition du soir à partir de 17h avec les 5 journaux en langue, suivi euh, du forum du soir à partir de 18h15. Excellente journée à vous.